bonsoir à vous, amis de la FADA. Bienvenue dans ce numéro de Tous à la FADA de ce dimanche 11 février 2024. Ce soir, notre FADA se déroule à la Blue Zone. Et aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une discussion passionnante sur la consommation locale des productions cinématographiques nigériennes. Alors que l'industrie cinématographique du Niger émerge avec force, elle se confronte à une série de défis uniques, notamment celui et stimuler l'intérêt du public pour euh, les films produits localement. Pour explorer ces questions cruciales, nous avons réuni trois invités, notamment Habibou Haruna, il est réalisateur. Bonsoir Habibou. Bonsoir Feno. Bienvenue dans notre FADA. Merci Feno, bonsoir. Nous avons également Boubacar Barazé, il est acteur. Bonsoir Boubacar. Bonsoir. Bienvenue dans notre FADA. Merci infiniment. Nous recevons également Amina Rachid, elle est actrice et réalisatrice. Bonsoir Amina. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Ir studio studio kalangura diabon hunkune dai ir fada ir siniga te kal neo zone batamara lalle mo ir gogi salam haye kano gogi ganji nigerien e i won filme ki gite la bise isigi filme dini gune isinigi dai filmedi ni igogi te moyi hanna duma igogo kokari kulte imduga filmedi te matkan kwarjere gini te wodi bonir gogi sala irwan fadara cher auditeur pour rappel hier notre collègue Fanta Chamsou avec euh, nos mêmes invités ont échangé sur les problèmes liés à la production cinématographique au Niger. Nous avons compris que les films Mad in Niger connaissent une faible consommation locale. À quel niveau se trouve ce problème Au niveau de la chaîne de distribution chez les consommateurs finaux Comment y remédier Eh bien, nous allons ensemble avec nos invités essayer de comprendre les défis liés à la consommation des films locaux. Chers amis jeunes, nous vous proposons nos chroniques spéciales, la rubrique rose et notre chronique captivante. Voilà, amis euh, jeunes euh, de la FADA, nous commençons avec euh, Habibou. Alors, Habibou, quels sont les principaux défis que vous rencontrez en tant que réalisateur nigérien pour distribuer vos films localement et atteindre un large public c'est non, merci. Je je sais même pas si c'est une difficulté parce que en réalité, il n'y a pas de distributeur au Niger. On n'a pas de distributeur vraiment. À un moment, avec l'association nigérienne des producteurs de contenu audiovisuel, voulu former quelqu'un, un des cinéastes sur euh, la distribution, mais on ne peut pas former quelqu'un qui n'a pas envie de faire ce métier. Alors que c'est essentiel pour euh, une œuvre cinématographique, c'est la seule chose qui puisse faire vendre un produit. Et c'est ça qui puisse faire en sorte qu'il y ait ce produit accessible euh, à tous les gens qui veulent bien regarder, par, que ce soit par la télé ou par euh, des projections en salle. Donc euh, voilà, le, gros problème réside là-bas. Et Abibou, vous venez de dire qu'il n'y a même pas de distributeur. Comment est-ce que vous arrivez à distribuer vos films alors s'il n'y a pas de distributeur on, dit que la chèvre ne bourde que là où elle est attachée. <laughs> Donc on s'adapte. Quand moi je fais une œuvre cinématographique, je dois forcément trouver un moyen de rentabiliser. Avec sa raconte L'idée était simple. Au départ, c'était faire un projet sur la base de volontariat, c'est-à-dire qu'on a rassemblé des gens, acteurs, techniciens, on leur a dit, bon, voici le projet. On n'a que le matériel pour faire le film, mais on va le faire. Maintenant, une fois qu'on le fait, on a un outil qui s'appelle l'Internet web. On va diffuser sur euh, l'Internet. L'audience qu'on va avoir nous servira de monnaie d'échange. Donc, c'est-à-dire qu'on va monnayer cette audience avec les partenaires qui veulent bien faire des positionnements d'un produit, peu importe. Et voilà, nous, on les positionne sur des épisodes de la série moyennant une somme d'argent. Et c'est comme ça qu'on a petit à petit, au fur et à mesure des épisodes, commencé à générer de l'argent pour pouvoir euh, payer les déplacements, faire des petits pécules euh, aux acteurs, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et de l'autre côté, euh, on a les, j'allais dire, on a les salles de cinéma, mais en fait, on n'a pas de salle de cinéma à Niamey, ni même au Niger. Tout ce qui existe a disparu. On a des salles de spectacle qu'on improvise en salle de cinéma. Ok, vous venez de dire qu'il y a un manque, euh, n'est-ce pas, de salles de, projection des films. Nous sommes euh, à la Blue Zone et là où se trouve euh, le canal Olympia, à Bibou. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela Pourquoi ces salles sont fermées Bon, déjà, canal Olympia, à la base, elle fait 200 places ou un peu moins. Comme je disais, hein, une salle de spectacle même de 1500 places, moi je pense que c'est, ça, ne peut pas rentabiliser avec deux projections. Canal Olympia euh, existe euh, grâce à l'effort de, de Canal Plus, qui est un groupe euh, international qui veut projeter ces films euh, avec tous le réseau qu'ils ont en Afrique. On aurait imaginé un scénario où on a un partenariat avec eux, où quand le film nigérien sort, que ça puisse être diffusé dans tous les canaux Olympia qu'il y a partout en Afrique. On a essayé cette démarche deux à trois fois avec notre association, mais ça n'a pas abouti. Aujourd'hui, la salle elle-même, elle est fermée par, je euh, je sais pas, un défaut technique. C'est que à la base, le politique refuse de s'impliquer dans notre euh, cinéma. Tout notre problème découle de ça. Exactement. Vous venez de parler de, de l'État. Le budget est de 3%. Est-ce que c'est insuffisant selon vous Le budget de 3% n'est pas alloué au cinéma. Il est alloué à la culture en général. C'est-à-dire que dedans, vous avez les arts plastiques, vous avez les dessinateurs, vous avez les chanteurs, vous avez les musiciens, vous avez les danseurs, vous avez tout ce qui font de l'art vont avoir une aide de l'État dans 3% du budget national. C'est-à-dire que la culture aux yeux de l'État représente 3%. Comment tout le monde a la même idée de l'américain C'est grâce au cinéma. Aujourd'hui, si on veut montrer les potentialités et les forces du Niger, c'est qu'à travers le cinéma qu'on peut faire ça parce qu'on a le moyen de donner tout ce qu'on a envie de dire. Voilà. Mais malheureusement, on se retrouve dans une situation où on pense que la culture doit être reléguée au deuxième, troisième ou même au dernier plan. Euh, en fait, c'est pas le moment de, parler culture. D'accord, c'est noté. Euh, Habib, on va se retourner vers euh, Boubacar Barazé. Alors, en tant qu'acteur, comment percevez-vous hein, euh, l'impact des méthodes de distribution actuelles sur euh, la visibilité des films nigériens et sur votre carrière Merci d'abord pour cette question. Euh, c'est triste. C'est triste parce que Aujourd'hui, je le répète encore, le métier des acteurs est minimisé. Le cinéma même est minimisé. Partant de cet élan, vous voyez aujourd'hui que, par exemple, euh, le projet Ça raconte, je parle toujours de Ça raconte parce que je figure dedans. De la manière dont sa raconte a pris de l'ampleur, c'est triste de voir que sa raconte se trouve sur Facebook, YouTube. D'accord il y a juste quelques temps, j'en ai parlé à quelques amis, j'ai dit je ne comprends pas qu'il y ait des grandes salles de cinéma ici au Niger qui ont été fermées et vendues pour être des centres commerciaux. C'est triste. Parce que moi, je me dis, il faut améliorer. Parce que le cinéma, je parle sous, le contrôle des autres, le cinéma africain est né ici. Le FESPACO est né ici au Niger. Et moi, je me dis, si on valorise cette culture, et comme euh, Habib l'a dit, c'est que le cinéma contribue même au positionnement de l'image du pays sur, euh, sur le plan international. Mais le Niger, si toujours le cinéma est pauvre, toujours on voit des gens pleurer n'importe comment. Moi, parfois, je suis scandalisé par ce que je vois. C'est vraiment triste. Donc maintenant, c'est à l'État et à nous autres de voir comment on va faire pour pouvoir revaloriser ce, ce secteur-là. 3%, je pense que c'est assez maigre. Est-ce que même ces 3% sont injectés Personne ne sait. 3% c'est pour euh, la culture d'une <laughs> manière générale, pas uniquement le cinéma. Alors selon vous, quels sont les partenaires euh, que vous pouvez avoir en dehors de l'État je pense que en tant que professionnel du domaine des, partenariats, je dirais que les partenaires c'est pas que l'État. Parce que si vous prenez, euh, moi je veux revenir là-dessus. Focus 227, ça raconte. J'étais chargé du partenariat. je sais que 90% des partenaires qu'on a eu, c'est pas l'État. Il y a certaines sociétés internationales qui se sont positionnées. Pourtant, ces structures ne sont pas nigériennes, mais ils ont trouvé l'engouement, comme il a eu à le dire, Canal Juste à titre d'exemple, Canal Plus a un peu contribué aujourd'hui à, à, sa formation et ça c'est un plus. J'ai l'impression qu'aujourd'hui l'État a abandonné cette notion de culture. Je me dis, quelle qu'en soit la forme, c'est la culture. Les acteurs culturels, c'est les meilleurs ambassadeurs. Donc un acteur qui est connu à l'international, on va s'intéresser à son pays. Les investisseurs vont se dire, bon, on va venir dans ce pays pour pouvoir investir. Apparemment, ils ont une pépite d'or. On vient ici, on prend nos footballeurs, mais pourquoi on ne vient pas ici pour prendre nos réalisateurs, nos acteurs ça aussi, c'est un combat qu'il faut que nous-mêmes nous essayons de mener. Parce que là, je le dis encore une fois de plus, c'est triste. C'est triste, c'est noté. Alors, euh, on va se retourner vers euh, Amina Rachid. Euh, en tant qu'actrice et réalisatrice, comment gérez-vous la distribution de vos films pour euh, garantir qu'ils atteignent leur public cible au Niger Les défis rencontrés <laughs> Là, euh, pour qu'il y ait distribution, il faut produire d'abord. C'est comme je l'ai dit, je suis nouvelle dans le domaine et je suis à ma première production qui n'a pas encore débuté. Donc, je pense que d'après ce que mes deux aînés ont dit, je pense que je vais prendre acte, je prends note. Commencer par moi le changement. On dit quand tu veux le changement, il faut que ça commence par toi. Ok, d'accord. Alors, euh, est-ce que euh, vous pouvez nous expliquer euh, quel sera votre plan de distribution une fois votre produit fini Pour ma part, c'est vraiment de valoriser les projections. Euh, il suffit pas seulement d'avoir une salle pour faire euh, des projections. On a des espaces libres, des espaces vides partout ici au Niger. On peut exploiter ces espaces-là, faire des projections. Par exemple, euh, le festival passé de Fifido, les projections qu'on avait faites, c'est pas dans une salle, c'était à l'air libre où il y avait plein de gens euh, du quartier, c'était vers le Sougungu, c'était en plein air. On a fait la projection et tout, tout le monde était content. Donc pourquoi attendre à ce que ça soit dans une salle il y a les Samaria aujourd'hui. On peut ramener le concept des Samaria, faire les projections dans la cour de, de la Samaria et tout ça là. Il faut pas attendre avoir une salle par exemple, euh, là, Canal Olympia qui a fermé, c'est comme l'a dit Habib, les places ne sont pas suffisantes. Alors que quand tu fais ça, par exemple, maintenant dans la cour là, ça peut prendre au moins 1000 personnes. Donc tu vois, c'est là la méthode que moi je vois, j'envisage de prendre pour euh, mes projections, Inch'Allah. D'accord. Alors, merci à vous. Euh, dans cette première partie, nous avons retenu que, voilà, Habib l'a si bien évoqué, que au Niger, nous n'avons même pas de distributeurs et nous avons retenu également que les méthodes de distribution actuelles ne sont pas, en tout cas, fiables. Il va falloir forcément mettre en place euh, des salles de projection pour permettre à ce que nos réalisateurs et nos acteurs et actrices puissent se retrouver dans le domaine du cinéma. Avant de poursuivre, je vous propose d'écouter la rubrique rose des dames du studio Calamou. tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Hello tout le monde. Aujourd'hui, je vous ramène encore ce dimanche dans ma cuisine, c'est Mirawafi Et euh, aujourd'hui, la recette que je vous propose, c'est la sauce à ademé. Ça, c'est l'appellation des Togolais et des Béninois. Mais nous, ici, euh, en jargon Hausa, on appelle ça sauce foku. Mais là, on va préparer les feuilles de foku frais. Et pour cela, nous avons besoin de nos feuilles euh, d'adémé, de Fokou bien sûr, un peu d'huile de palme rouge. Nous avons aussi besoin d'une portion d'oignon, quatre piments frais, du poisson frais. Moi j'ai opté pour du poisson frais, mais il y a des gens qui préfèrent le poisson fumé. Nous avons aussi besoin d'une boule de sombala, un peu de sel, un peu d'arôme. Comme toujours, nous allons commencer par nous laver les mains. Voilà, à présent, aujourd'hui, j'ai pas lavé les ingrédients avec lesquels je vais travailler. Là, je vais les préparer. On va laver notre poisson pour enlever toutes les impuretés et, euh, laisser ça filtrer. Parce que souvent, le poisson, vu que c'est euh, un, poisson en, frigo, ça risque d'avoir beaucoup d'eau. Donc, euh, on va bien laver notre poisson. Voilà. Les feuilles d'adémé sont déjà euh, bien arrangées. Là, je vais préparer ma marmite. Je vais y ajouter un peu d'eau. C'est fait. On va venir mettre nos feuilles euh, d'adémé. Voilà, à cette étape, euh, quand l'adémé va commencer, notre focus va commencer à bouillir, on peut y ajouter juste un tout petit peu de bicarbonate de soude ou bien ajouter un peu de natron pour permettre aux feuilles euh, de garder déjà leur couleur verte et aussi euh, pour que ça, puisse cuire plus vite. Ça sert aussi pour gagner du temps et ça permet à la sauce de ne pas vite se gâter. Je mets un peu euh, de bicarbonate. Là, on va mettre nos piments verts comme ça. On va les ajouter ainsi pour qu'ils puissent dégager leur euh, odeur, ça sent vraiment bon. Voilà, là on va euh, ajouter un peu de sel, un peu d'arôme. Vérifiez bien vos feuilles euh, si c'est bien mou, ça veut dire que c'est prêt et vous pouvez déjà ajouter tous les ingrédients qui restent. Là, j'ai déjà mis mon sombala que j'ai laissé bouillir avec les feuilles durant 15 minutes. Là, je vais ajouter un peu de sel, un tout petit peu d'arôme voilà. Je vais ajouter mon poisson frais parce que la sauce est presque prête. Le poisson frais, je l'ajoute en même temps et j'ajoute un peu euh, mon huile de palme pour que ça puisse bouillir et que ça puisse bien se mélanger au poisson et euh, à la sauce en entier. Voilà. Et eh bien voilà les amis, ma sauce elle est prête. Là, je vais euh, juste ajouter mes oignons que j'ai déjà émincés pour que euh, ça puisse donner une très belle odeur et aussi euh, un très bon goût à ma sauce. Je vais laisser euh, bouillir pendant juste une ou deux minutes, pas plus, parce que le poisson frais, ça cuit super vite. Voilà, c'est prêt, on va goûter le sel. Hein, c'est bon. On est bon pour le sel aujourd'hui, <laughs> ça va. Voilà, notre sauce est prête. Si vous avez retenu les ingrédients, on a juste besoin des feuilles fraîches de focou, un peu d'huile rouge, de l'oignon, piment vert, du sel, du poisson frais, du sombala et surtout, surtout, un tout petit peu de natron ou de bicarbonate pour bien préparer la sauce. Et c'est une sauce qui ne prend pas beaucoup de temps et qui ne prend pas aussi beaucoup d'ingrédients. Et euh, cette sauce, on peut euh, l'accompagner soit euh, avec de la pâte de maïs, de sorgho si vous voulez, à votre convenance, mais en pâte c'est plus doux. Alors c'est tout pour la recette d'aujourd'hui. On se dit à la semaine prochaine. Bye bye. Tu jures sur la vie toi, tu jures sur la vie ta mère. Tu connais mes débats, mais tu jures sur la vie ta mère. Oh. si tu veux le Amis jeunes, c'était la rubrique Rose du studio Kalangu. Nous allons continuer notre émission Tous à la Fada. Notre deuxième partie met l'accent sur les consommateurs locaux. Habibou, selon vous, pourquoi les consommateurs locaux euh, des films Mad in Niger semblent être réticents à la consommation des, films localement produits au Niger euh, Moi, je ne suis même pas de cet avis, le Nigérien aime les productions nigériennes. Le Nigérien adore les films nigériens. Mais le Nigérien n'a pas accès aux films nigériens. C'est différent. Aujourd'hui, euh, le, canal par lequel le Nigérien peut accéder à ces films, principalement, c'est les projections que les réalisateurs font. Et comme on a dit, il n'y a pas assez de salles pour accueillir tout le monde. Si aujourd'hui au palais des congrès, je prends un cas concret, des personnes peuvent payer 2000, 3000, 5000 pour aller voir un film, ce n'est pas le cas de la majorité écrasante des Nigériens. La majorité écrasante des Nigériens, Amin Rachid l'a dit, s'il y avait une alternative, c'est qu'on puisse leur donner accès à, à ce film-là par des salles comme les Samaria, pour qu'ils puissent, euh, avec un 100 francs, 200 francs, allez regarder ce film. Mais je vous promets que ce film-là, vous allez le projeter mille fois. Les gars vont aller le regarder mille fois, quoi. La problématique, c'est vraiment la manière dont nous avons ce concept. Est-ce qu'il faut rester dans ce système d'occidentalisation de la distribution ou la faire avec nos réalités Voilà, cette réflexion, je l'ai faite et honnêtement, je vous dis, je suis déjà en train de travailler avec des gens dans les quartiers populaires pour pouvoir prochainement faire des projections accessibles à la population, pas gratuites, parce qu'on n'a pas cette possibilité-là, mais accessibles. Donc, on est encore en train de travailler dessus et je pense que si on arrive à fédérer tous les maillons, les intervenants du métier, je pense qu'on on on pourra créer quelque chose. D'accord. Alors on va revenir avec euh, Amina Rachid. Euh, en tant que future réalisatrice, quel est votre point de vue par rapport à cela Voilà, c'est comme euh, Monsieur M. Habib l'a dit, les Nigériens aiment les films nigériens. Parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un te voit dans un film, il va te demander, mais quand est-ce que tu as joué dans ce film-là Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas accès à ces films-là. Ils n'ont pas accès. Les rares fois où tu vas voir euh, les films nigériens passer à la télé, c'est soit euh, sur Télé Sahel ou bien sur Tal TV. Maintenant, je vois que les chaînes euh, privées s'intéressent un peu plus à au truc, euh, au film nigérien, parce qu'il y a Amfani qui diffuse aussi, il y a Dunia qui diffuse aussi. Donc je me dis que si nos télés s'intéressent plus à nos œuvres qu'à ceux de l'extérieur, je pense que la population n'a pas à se demander comment je vais avoir ce film-là. On peut pas se dire de mettre à chaque fois les films sur euh, support USB et partager aux gens. Ça fait plaisir de se rassembler ensemble et regarder le truc. Hmm, en fait, j'oublie de mentionner que si on, va plus vers les salles, par manque de distributeurs, les télés existent, mais elles n'arrivent pas à acquérir les droits de diffusion parce qu'aujourd'hui, il n'y a que Télé Sahel qui arrivent à payer des droits, des droits entre griffes pour pouvoir diffuser ces films-là. Euh, quand je dis entre griffes, c'est que bon, ils payent vraiment, mais pas comme ça se doit. Aujourd'hui, les télés privées n'arrivent pas à diffuser les films nigériens parce qu'ils n'ont pas les moyens de les acheter. Et nous, on peut pas leur offrir les films comme ça parce que c'est pas des films qu'on a fait gratuitement aussi, ça nous a coûté. Donc si aujourd'hui, moi, je fais une production et que je la diffuse sur euh, une télé privée, des gens vont me demander mais qu'est-ce qui s'est passé L'argent là, c'est où Viens, on va partager, tu vois. J'aurais beau leur expliquer qu'en fait, ça a été donné gratuitement, personne ne me croira. Donc il y a des trucs comme ça qu'il faut aussi prendre en compte, quoi. Les télés n'ont pas les moyens d'acheter les films. C'est noté. Eh, Amina, nous revenons vers vous encore une fois le plus. Je vous garde au micro. Dites-nous quel rôle jouent les, les festivals de cinéma locaux et internationaux dans la promotion et la distribution des films nigériens, selon votre expérience. Les festivals, pour moi, je me dis que c'est une opportunité de faire quitter nos œuvres hors du pays. Par exemple, le FESPACO. Nos œuvres vont au FESPACO. On a même l'habitude d'avoir des prix au FESPACO. C'est vraiment pour euh, nous l'opportunité de nous mesurer aux autres, de voir si nous, ce qu'on fait est vraiment quelque chose de solide, quelque chose qui, est, qui peut amener le Niger hors de ses frontières. Par exemple, euh, comme l'a dit Monsieur Habib, avec le Fifido, la fille qui a reçu le prix de, de meilleure euh, réalisatrice, elle est nigérienne. Et de sur quoi c'est la seule qui a eu une enveloppe avec sa production. Donc je me dis que les festivals aident aussi les, acteurs et les réalisateurs. Euh. Alors, euh, on revient avec euh, M. Barazé. <laughs> Je rappelle qu'il est également acteur. Alors, en quoi pensez-vous que les films nigériens peuvent mieux répondre aux attentes et aux intérêts du public local par rapport aux productions étrangères D'accord, merci. Je pense que je vais profiter de cette question pour faire ma propre promotion. Si je vous dis El euh, qu'est-ce que ça vous dit El agit dans sa raconte, ça vous dit quoi Partant de ce fait, c'est que le Nigérian, comme ils ont eu à le dire, c'est un consommateur par excellence des films locaux. D'accord Donc, un film nigérien, il est consommé par les Nigériens s'il est gratuit, parce que le Nigérien aime la gratuité. Ça aussi, il faut le dire. Hein. Aujourd'hui, si ça raconte a vraiment pris, je remercie quand même tous les internautes et tous ceux qui se sont abonnés aux pages et tout. C'est parce que c'était gratuit et c'est sur Facebook. Facebook, c'est une large diffusion. On est d'accord. Je vais encore rebondir sur le thème. Si on aborde les différents thèmes euh, qui touchent un peu la société nigérienne, c'est normal que les Nigériens puissent consommer en fait ce produit. Oh, je pense qu'aujourd'hui, si nous nous prenons le risque de produire un film qui va parler un peu de l'Occident, une histoire de, de l'Occident, je sais pas, faire l'histoire de Shakespeare et tout, je pense pas que ça puisse passer. Par exemple, quand je vous ai dit El Hajj, elle, elle a répliqué, El Hajj, c'est ce monsieur qui, qui aime trop la femme. Vous voyez un peu, qui court les femmes et tout. Bon, je ne vais pas attaquer tous les Nigériens, mais certains Nigériens se retrouvent dedans. Parce qu'ils voient un peu la technique, peut-être ça leur rappelle leur, euh, leur jeunesse et tout. Bon, moi avant j'étais comme ça, j'étais comme lui, et plein d'autres jeux de rôle aussi. Donc il y a ce thème, il y a la partie aussi violence faite aux femmes. On l'a abordé aussi dans la série. Donc ce thème aussi, c'est un, thème d'actualité. Et moi je me dis, tant qu'on touche un thème qui touche le... Euh, comment est-ce qu'on appelle réalité ça Les réalités du pays, mais le Nigérien va consommer. Le Nigérien n'est pas un consommateur compliqué, il aime juste la gratuité je cesse dessus. C'est juste la gratuité que le Nigeria aime. D'accord. Alors, euh, marquons une petite pause euh, avec l'artiste. Je ne sais pas, vous voulez qu'on joue quel artiste pour vous euh, Moi, je propose Mariri de MDM, MDM, voilà. Mariri de MDM On écoute et on revient juste après. la pause musicale euh, de la Fada, tout en espérant que vous avez aimé cette chanson de MDM Crew. Euh, le titre est Mariri. À présent, poursuivons nos échanges avec, euh, cette fois-ci, un focus sur les perspectives. Et nous allons commencer avec Boubacar Barazé. En tant qu'acteur, quelles sont vos attentes et vos suggestions pour améliorer les conditions de distribution des films nigériens afin de mieux servir le public local et de promouvoir l'industrie cinématographique nationale. Ok, merci beaucoup pour cette euh, question. Euh, je dirais qu'il faut révaloriser d'abord les anciens sites qui sont là et créer euh, vraiment un grand espace 100% culturel. C'est-à-dire la distribution des films, la projection des films, c'est là. je reviens toujours là-dessus. révaloriser les anciens sites, créer de nouveaux sites avant nous, qu'on était enfant, on partait dans les quartiers où c'était carrément euh, tandé waranka tout ça, on rentre, on regarde des films hindous, des films commando, ça tire de gauche à droite. Borego Makani, après dire c'est des commentaires, on arrivait à retenir le nom de ces acteurs. Aujourd'hui, je pense que ces petites formes de, diffusion de films a, a, disparu au détriment du smartphone et de la télévision. Moi, je pense que ça serait bien de revenir sur le même système, mais beaucoup plus amélioré. C'est de créer des grands centres où vous payez le ticket monde comme Canal Olympiade pour accéder. Moi, je me dis, c'est pas seulement Niamey, hein, il y a les autres villes qui sont là. Moi, je pense que si on crée plusieurs centres de diffusion de films à l'intérieur du pays, le Nigérien aura en fait euh, l'engouement d'aimer encore euh, le cinéma. Aujourd'hui, c'est que les jeunes, à un certain âge, quand vous leur demandez, ils disent Kai, j'ai pas le temps de regarder Kai, c'est la même chose ou Kai, et quoi. Mais quand il y a cet engouement, ça te rappelle ton enfance, tu as envie de dépenser le, le reste du temps de détente que tu, que tu as de la journée pour aller sur le cinéma. Et c'est un plus, je crois, pour les acteurs et les techniciens qui ont produit ce, ce cinéma. Donc, voilà. Monsieur Abibou, Comment pensez-vous que les canaux euh, de distribution traditionnels pourraient être améliorés pour euh, favoriser la consommation des films made in Niger par les Nigériens euh, Je vais d'abord rebondir sur ce qu'il a dit dans la deuxième partie par rapport aux Nigériens qui aiment la gratuité. En fait, c'est pas la gratuité qu'ils aiment, c'est le pouvoir d'achat qui est faible. Donc, il parlait aussi de ces cinémas de quartier où tu payes 25 francs, 50 francs pour regarder un film où la pochette de la cassette était affichée, la VHS. Voilà. C'est des trucs comme ça sur lesquels il faut aller avec des réflexions poussées pour rendre le cinéma populaire et accessible. Donc il faut donner la possibilité au maximum de Nigériens où qu'il soit, pas qu'à partout à l'intérieur du pays, réfléchir sur comment faire des centres où à chaque fois quand vous avez envie de voir un film nigérien, vous savez que tel jour, à telle heure, je pars, je regarde un film nigérien à moindre coût. Et je pense que là, nous aurons quelque chose, un début de la création d'une distribution du, du, film nigérien. Quoi. Amina, Rachid, selon vous, quelle astuce... Euh, utilisé pour euh, que les Nigériens s'intéressent davantage au film Mad in Niger. Aujourd'hui, le Nigérien, c'est pas qu'il ne veut pas regarder, c'est pas qu'il ne veut pas se déplacer, mais aujourd'hui, dîner ici, on connaît film d'un et que Furiyango, tu vas voir même ces anciens-là qui n'ont pas été dans cet espace-là, ils seront heureux de se retrouver en plein air ou bien dans une salle avec sa famille ou bien avec ses amis pour regarder un film. C'est pas la cherté qui, qui fait la chose, mais le fait de valoriser ce truc-là que vous allez montrer maintenant. Aujourd'hui, si on fait une projection à 50 francs, imagine, tu remplis la salle à 5 reprises, c'est quelque chose. Donc je me dis qu'il ne faut pas aussi regarder l'argent, il faut aussi voir le, plaisir là que vous allez donner à la population pour regarder vos œuvres. Avant de clôturer, nous allons d'abord écouter la chronique euh, de la FADA qui est rendue par moi-même. Amis de la FADA, bonsoir. Aujourd'hui dimanche, nous allons plonger au cœur de l'agriculture au Niger, un secteur vital pour ces pays d'Afrique de l'Ouest. Le Niger, connu pour sa beauté désertique et sa richesse culturelle, dépend en grande partie de l'agriculture. Chaque année, la campagne agricole représente un moment crucial pour des millions de Nigériens. Mais qu'est-ce qui rend cette campagne si importante Point d'interrogation. Eh bien, c'est simple, la sécurité alimentaire. Dans un pays où près de 80% de la population vit de l'agriculture, la campagne agricole détermine en grande partie la capacité du Niger à nourrir sa population. La saison des pluies est le moment où tout commence. Elle débute généralement en juin et dure jusqu'en septembre. Les agriculteurs nigériens attendent avec impatience ces précieuses pluies car elles apportent l'eau essentielle à leur culture, principalement le mil, le sorgho et le maïs. Mais la campagne agricole au Niger ne se résume pas seulement à l'attente des pluies, c'est aussi un défi logique colossal. Les agriculteurs doivent préparer leurs terres, s'aimer, entretenir leurs cultures et espérer que les pluies soient suffisantes. Malheureusement, malheureusement, le Niger est souvent aux prises avec des périodes de sécheresse et des inondations soudaines. Ces événements climatiques extrêmes mettent en péril la sécurité alimentaire de nombreuses familles. Cependant, des initiatives gouvernementales et internationales travaillent à renforcer la résilience des communautés agricoles face à ces défis. Il est important de mentionner que l'agriculture nigérienne est principalement axée sur l'agriculture pluviale. C'est ce qui signifie qu'elle dépend fortement des précipitations. La modernisation de l'agriculture, y compris l'irrigation, est un défi majeur pour l'avenir du pays. En conclusion, la campagne agricole au Niger est une période cruciale où l'espoir des récoltes abondantes se mêle à l'incertitude du climat. C'est un rappel que dans ce pays magnifique, l'agriculture est bien plus qu'une occupation. C'est un moyen de survie et un espoir pour l'avenir. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour euh, cette chronique sur la campagne agricole au Niger. À la semaine prochaine. Voilà, chers amis jeunes euh, de la FADA, nous fermons les rideaux de notre FADA d'aujourd'hui. Nous étions en compagnie de Habib Haruna, Boubacar Barazé et Amina Rachid. Yadino ir euh, FADA wana hangankoy ir kaguto ir FADA sijiro awana banantaga ir fakare dir wana fadanchei misakaya igoga di iwan filime nere yangora ifamandir sekan regiti. Fli dini isinda borayan bono kango ko igi ner Taray. amma inge dinge bo mumbono go imduga nan amto nigerian ay do yadi mono inde ir fakare rigite guduga problemo bonza mandir se kandei sadi ni arango fongu kan cinema ken ken yangono quartier ra kan yan borego ko bandal gugu wal guduga filme guna irginga kawedini ka wodi ni yadi no iri dugu fakare dey ifamandir se kan nigérien e igba niger filmo ama ama halga samaria bo bengo no yango un kuna samaria di idu ki feri nigérien e ginga koi samaria di raga duga niger wana filme guna amis jeunes de la fada on se dit à la prochaine bye bye